forum du forum du studio Kalamkou, le forum du studio Kalamkou, le forum du studio Kalamkou, le forum du studio Kalamkou, le forum du studio Kalamkou, le forum du studio Kalamkou, le forum du studio Kalamkou, le forum du studio Kalamkou, le forum du studio Kalamkou, le forum du studio Kalamkou, du studio Kalangou se poursuivent à 18h15 à Niamey et au studio Kalangou. Des questions sur des sujets qui vous intéressent, on en parle tous les jours et c'est dans cet espace d'échange, le forum du studio Kalangou, votre rendez-vous quotidien du lundi au vendredi. Notre but, partager avec vous des connaissances sur vos préoccupations euh, restez avec nous euh, dans cette quête quotidienne. Euh, selon une enquête en 2015 au Niger, comme dans beaucoup de pays du Sud, la prostitution des jeunes filles se développe d'une manière exponentielle. Si avant cette profession relevait de la catégorie des professionnels du sexe, aujourd'hui ce sont aussi des gamines qui s'exposent au plus vieux métiers du monde. Voilà, le décor est planté. Il est donc question de la prostitution pour ce soir. Nous irons au cœur du sujet sans aucun tabou pour savoir comment évolue ce métier, qui sont les personnes qui le pratiquent, dans quelles conditions et les dangers auxquels s'exposent les professionnels du sexe. Pour en débattre, je suis avec le chargé de programme de l'ONG Songe Niger, spécialisé dans les questions de population clé en matière de VIH-Sida, M. Karimou Issa le médecin prescripteur Gazéré Ousmane et d'une professionnelle du sexe qui garde l'anonymat. Elle sera au bout euh, du fil. Messieurs, dames, bonsoir. Euh, bienvenue au micro Diallo Mariama euh, Kenda. Euh, Monsieur Issa Karimou, chargé de programme de l'ONG Songe Niger. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Docteur Gazéré Ousmane, bonsoir. Merci également à vous d'avoir accepté d'être des nôtres. Et nous avons, comme je l'ai dit, euh, euh, une professionnelle euh, du sexe. Elle est donc au bout du ligne. Bonsoir, madame. Bonsoir, comment ça va Ça va bien, et vous D'accord. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, d'être, euh, euh, de faire partie de cette émission. Et donc, tout à l'heure, je disais que l'ONG Songe Niger est spécialisée dans les questions de populations clés en matière de VIH, SIDA et Sakarimou. Rapidement, les populations clés. Ok, donc les populations clés en matière de lutte contre les ISC et le VIH, ça dépend des populations, ça dépend de chaque pays. Mais au Niger, nous avons comme population clé les personnes vivant avec le virus du sida. Nous avons les professionnels de sexe. Hein. Nous avons les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. Nous avons les usagers de drogue. Donc, euh, en général, si on parle de population clé en matière de lutte contre le sida au Niger, ce sont les populations-là dont je viens de citer. Nous allons appeler les choses par leur nom, je le disais, sans aucun tabou. Vous gardez la parole à euh, M. Issa Karimou. Et qui appelle-t-on professionnel du sexe On appelle professionnel du sexe toute personne, que ce soit homme ou femme, qui échange les relations sexuelles à, à, travers un bien matériel ou bien non matériel. Donc toute personne qui fait des rapports sexuels moyennant quelque chose et qui se reconnaît dans cette euh, activité est considérée comme professionnelle de sexe. Docteur, euh, c'est vrai, docteur euh, Gaziri Ousmane, c'est vrai que vous êtes médecin, mais est-ce qu'il y a une façon de reconnaître une professionnelle du sexe, à, part bien sûr cette définition que vient de donner M. Issa Karimou Est-ce que quand elle se rend à, à l'hôpital, est-ce que quand vous les rencontrez physiquement, y a-t-il un aspect <laughs> Merci, madame il est très difficile de reconnaître euh, une professionnelle du sexe comme ça dès l'arrivée. Euh, peut-être que quand on est habitué à travers son comportement, euh, sa façon de s'habiller, peut-être. Je dis peut-être. Et lors d'une consultation, si elle ne le dit pas Non. Non, aucun signe. Aucun signe. Hein. Ce qui nous attire, c'est surtout comme nous sommes une ONG de prise en charge, ces dames nous sont envoyées par M. Karimou qui nous dit voilà, euh, nous avons tel nombre de professionnels du sexe qui vont venir pour une visite systématique. Vous le savez déjà. Je déjà. Alors, euh, vous êtes à l'écoute, euh, Madame. Je disais que nous avons donc la participation d'un témoin. Alors, euh, quand vous entendez professionnel de, de sexe, cette, appellation, et comment vous la ressentez euh, Merci, madame. Euh, merci vraiment à le studio Kalangou de nous avoir donné le temps de vous Est-ce que vous m'entendez bien Oui, je vous entends, mais parler un peu plus fort quand même. Voilà. Ok, ok. Voilà, c'est bon. Vous pouvez, vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît Alors, je disais, on, parle, on a donné tout à l'heure la définition, je veux dire, M. Karimou Issa a donné la définition de professionnel de sexe. Et Quand vous entendez cette appellation, quand on dit par exemple que vous êtes une professionnelle de sexe, euh, comment vous vous ressentez cette appellation Vous êtes choqué Ça vous dit rien euh, Comment est-ce que vous ressentez cela Bon, euh, tu sais, quand on dit professionnel de sexe, Là, c'est en français. Contrairement à langue, si on nous appelle par notre euh, le, nom en langue, c'est ça qui nous choque un peu. Et c'est quoi, c'est quoi ce nom en langue Bon, en langue, en Hausa, on dit Karwa. Oui. En Germain, on dit Wekuru. Donc, euh, euh, c'est ça qu'on appelle une professionnelle de sexe en langue. D'accord. Et ça, ça vous choque Oui, ça fait mal quand même. Ça fait mal. Mais entre nous, quand on se dit, et là, on n'a pas de problème. Mais si quelqu'un, un étranger par exemple, passe devant nos maisons, il nous dit ça, c'est les maisons des professionnels de sexe, ou bien ça, c'est les maisons des carouas ou des, Wekuru. Là, vraiment, eh, ça choque un peu. Vous voyez comment je, voulais dire. Alors, donc, euh, ça fait comme cette euh, ancienne appellation, dans temps qu'on disait prostituée, c'est la même chose Oui, c'est la même chose, c'est la même chose. Mm. D'accord. Donc, euh, vous gardez, euh, vous restez avec nous, vous continuez avec cette question. Euh, racontez-nous comment vous êtes venu à ce commerce. Ok, merci. moi, je me suis retrouvé dans ce commerce malgré moi, puisqu'on m'a forcé à, me marier avec quelqu'un dont je ne l'aime pas. J'ai refusé le mariage, mais mes parents ont vraiment forcé à ce que j'ai eu deux enfants avec ce métier-là. Euh, après, le métier, on s'est divorcé. Euh, vous voyez, les parents ont commencé à, insulter, à minimiser. Raison pour laquelle j'ai quitté euh, la maison familiale. Je poursuivais mes, études, mais malgré mes, la difficulté de payer les, même les fournitures scolaires, j'ai abandonné l'école. C'est vraiment malgré moi, c'est la méchanceté des parents et c'est la pauvreté qui m'a poussé à me retrouver dans ce métier. Vous aviez quel âge Vous aviez quel âge euh, et, le niveau d'études euh, J'ai fait deux fois le bac, mais malheureusement, j'ai pas eu la chance d'avoir mon bac. Le bac A ou D ah, Bac A. D'accord. Oui, je me suis réfugié chez une magasia pour faire un peu le travail et vu leur situation de vie, ça m'a plu et c'est comme ça que je, me suis lancée dedans. C'est quoi une magagia Bon, une magagia, c'est une, dans une maison close. Une maison close, c'est une maison où se trouvent les prostituées qui, se, qui, euh, sont assises devant euh, leur maison sur le tabouret. Donc, dans cette concession, il doit avoir une reine de la maison. C'est elle qu'on appelle la magagia. Et donc, avec, avec ça, vous n'avez pas pu continuer vos études, c'est ça non, j'ai vu que je suis à l'aise, les études, c'est pour gagner une autre vie. Et raison pour laquelle, comme je gagne l'argent dans cette affaire, euh, j'ai quitté les études, je préfère me prostituer pour gagner ma vie. Alors donc, euh, euh, Songe Niger est spécialisé, je le rappelle, dans les questions de population clé en matière de VIH. Monsieur Issa Karimou, parlez-nous de l'ampleur de ce phénomène au Niger, euh, peut-être par région concernée, par quartier, mais euh, de l'ampleur quand même euh, de ce phénomène, de la prostitution. Ok, donc c'est un phénomène qui est généralisé dans toutes les huit régions du pays. Dans toutes les huit régions, je dis, dans tout le pays, il y a des professionnels de sexe, mais à des degrés différents. Donc, il, y a des régions qui ont plus de, de, de professionnels de sexe que d'autres. Et y a, ça dépend aussi de la stratégie dont cette activité est menée. Je prends un, un cas, dans une région, on peut trouver des professionnels de sexe qui, sont, qui, font, qui font leur activité dans c'est-à-dire ils sont affichés, il n'y a aucun problème. Et dans d'autres régions, c'est vraiment la clandestinité. Je prends un cas très simple. Si on prend eh, l'est du pays, il n'y a aucune difficulté, on peut trouver des PS qui sont là avec leur maison close, tout le monde, les professionnels de sexe, tout, le monde, tout le monde connaît les sites, il n'y a aucun problème. C'est la même chose à Niamey. Mais maintenant, si on fait un tour vers la région de Tilaberi, donc dans toute la région de Tilaberi, il est difficile de trouver une maison close de professionnels de sexe, mais ça ne veut pas dire que la prostitution n'est pas et, comment dirais-je là, ne se pratique pas à Tilaberi. Ça se pratique très bien à Tilaberi, comme de toutes les régions, mais dans la clandestinité. Mais à Niamey, les maisons closes sont nombreuses. À Niamey, il y a les maisons closes, il y a la clandestinité également. Alors, euh, et euh, notre euh, témoin est toujours avec nous. Docteur, nous reviendrons vers vous. Ne vous impatientez pas. comment êtes-vous organisée, madame, dans ce commerce Bon, euh, en ce qui concerne euh, nous, les professionnels de sexe des maisons closes, nous sommes organisés en société et en association, je voulais dire. Ça veut dire qu'il y a une présidente, c'est ça il y, a, un chef, euh, une présidente Oui, l'association est dirigée par une présidente. On a un membre on a un bureau. Le bureau est dirigé par un membre, un président, une présidente, il y a la secrétaire générale, il y a euh, un SG, on a les membres fondateurs aussi du bureau. Euh, D'accord. Nous, allons revenir euh, sur le recrutement. Dites-nous d'abord comment est-ce que se fait le recrutement des, filles ou des personnes, des professionnels du sexe euh, euh, Je n'ai pas compris. Par exemple, quand euh, vous cherchez, vous allez vers des filles ou c'est des filles qui viennent vers vous. Et comment se fait le, recrutement Comment vous trouvez des filles, des professionnels de, sexe qui, qui, vous rejoignent Voilà, moi en tant que membre du bureau de l'association, toute jeune fille ou bien toute femme qui se reconnaît comme professionnelle de sexe, si elle vient vers nous, alors on, euh, euh, on met son nom dans, le, euh, dans nos cahiers elle est considérée comme membre de, notre association. Mais vous, allez-y, allez-y. Toutes filles donc qui se reconnaissent, des fois les filles viennent vers nous, comme nous-mêmes on se déplace vers eux pour des sensibilisations, pour la distribution des préservatifs, pour des activités des CCC tout ça là, on part vers eux pour les faire sensibiliser et, elles aussi, elles viennent vers nous. Alors, euh, euh, pouvez-vous affirmer euh, que ce commerce est rentable Est-ce que vous arrivez à avoir beaucoup d'argent Bon, je ne vais pas dire que maintenant la prostitution n'est qu'un modèle, madame. C'est ici, malgré nous, parce qu'on n'a pas d'activité à faire on n'a rien à faire, on n'a pas de petits commerces, raison pour laquelle d'autres se trouvent dans, euh, ces commerces. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce à, euh, euh, à, à l'ONG on arrive à voir un peu de nous, ce qu'on gagne, de leur activité qu'ils nous donnent. Donc d'autres sont en train de se retirer euh, euh, sortir de ce, commerce de sexe. On reviendra sur les raisons qui motivent, qui vous motivent ou qui motivent les professionnels de sexe à se retirer euh, de ce commerce. Vous rappelez-nous, ça fait combien de temps que vous pratiquez ce métier Moi, je suis dedans depuis 99 Depuis combien 99, 1999. Direction tout de suite à Maradi où notre correspondant a recueilli des témoignages de certaines professionnelles du sexe. Firji, un village de la commune de Danissa dans le département de Madaroufa, en frontière avec le Nigeria, est l'hebdorado des jeunes filles professionnelles du sexe. Elles viennent de partout pour se faire un peu d'argent en se prostituant. La plupart euh, se retrouvent euh, dans ce plus vieux métier du monde suite à un mariage forcé. C'est du moins le cas de ces filles qui ont témoigné sous anonymat au micro de Mohamed Maman. To shekara ta goma sha shidda. Je suis âgée de 16 ans et je viens de Yami. Je me suis retrouvée dans ce village après que je fui un mariage forcé parce que je ne veux pas du gars. Il y a juste un mois que je suis arrivée et à l'heure où je vous parle, rien ne me dérange. Je vague normalement à mon activité sexuelle. Je suis venue avec deux de mes amies qui connaissent déjà le quoi. Elles ont continué sur Abuja au Nigeria et moi je suis restée ici parce que je ne pouvais pas retourner à la maison car il y a problème. Je n'ai jamais fait des rapports sexuels sans préservatif. Si je trouve quelqu'un que j'aime, je peux me marier. Dans cette activité, nous pouvons contacter le sida, les infections sexuellement transmissibles ou qu'on soit victime d'un enlèvement. C'est pourquoi nous demandons aux ONG et à l'État de nous aider pour abandonner ce travail à risque. Je suis dans ce village à cause d'un mariage que mon papa et moi-même ne voulons pas, mais que ma mère a accepté. Ce n'est pas aujourd'hui que je m'adonne à cette activité sexuelle. Ça remonte depuis que j'ai l'âge de 12 ans et présentement, je suis dans ma troisième année d'activité. Mais c'est la première fois que je viens vers ici parce que je ne suis plus fréquentée vers le sud du Nigeria, notamment à Lagos. Une fois fois, on m'a ramenée à la maison, mais en fin de compte, je suis ressortie parce que je ne peux pas rester. Mes parents ont fait des talismans, mais rien. Deux fois, je pleure quand je pense à ma mère. Je n'ai jamais accouché. J'ai fait plusieurs avortements, trois ou quatre fois. Quand j'ai commencé cette activité, j'avais peur des hommes. Hmm. Nous étions à Maradi, donc propos recueillis par notre correspondant Mohamed Maman. Nous revenons à Niamey où nous avons également rencontré au quartier Lakouroussou une femme exerçant ce métier depuis très longtemps. Écoutons-la. Nous avons choisi de faire ce métier au début, nous n'utilisons pas les préservatifs, mais maintenant nous avons compris. Ce n'est pas la pauvreté qui nous a poussés dans ce métier. Nos parents nous aiment aussi, mais c'est juste une question de destin. Nous avons été sensibilisés par le projet SIDA sur la nécessité d'utiliser des préservatifs. Nous avons sensibilisé d'autres femmes de notre part. Nous leur avons fait comprendre qu'on peut attraper le sida en coupant les ongles par la voie sanguine ou par le rapport sexuel. Mais si on veut, on peut se protéger en utilisant le condom. Certains hommes peuvent te proposer jusqu'à 50 000 francs CFA sans condom si tu es trop attiré par l'argent. Mais dans le cas contraire, tu peux refuser et lui expliquer tes raisons pour essayer de le convaincre à utiliser le préservatif. Et là, il va toujours l'exiger lui-même sans que tu le lui rappelles. Nous avons vraiment des problèmes sociaux. Dans le quartier, tout le monde se moque de nous. Si nous arrivons à trouver de l'aide, nous pouvons exercer du commerce et laisser cette pratique. Car actuellement, je n'ai vraiment. C'était là le témoignage d'une femme, d'une professionnelle de sexe exerçant en ce métier depuis très longtemps dans le quartier de Lakouroussou, euh, docteur Gazéré Ousmane. À quel risque s'exposent euh, ces professionnels de sexe mm-hmm. Merci. Euh, madame, ces professionnels du sexe s'exposent à plusieurs risques. Les euh, risques essentiels, ce sont des risques infectieux hein, qu'on appelle maladies sexuellement euh, transmissibles ou IST. Ah, IST mhm. et actuellement, depuis quelques années, avec l'apparition du sida, hein, le VIH, euh, le VIH aussi est une IST. Docteur euh, Gazéré, au nombre euh, de ces, de ces maladies infectieuses, les IST, peut-on les connaître Quelques-unes peut-être Les IST, bon, les plus connus, anciennement connus, hein, vous avez la gonocoxie, hein, qu'on appelle chaude pisse, hein, et vous avez le chancre mou, vous avez la syphilis, Hein? Hein, ce sont les plus anciennement connues, hein, celles-ci. Et puis, vous avez ensuite l'herpès génital, vous avez la donovanose, etc. Docteur, les plus dangereuses, c'est vrai que toutes les maladies sont dangereuses, mais les mm. plus dangereuses euh, qui aujourd'hui vraiment font peur ah, Aujourd'hui, euh, même avant, euh, toutes ces maladies-là sont dangereuses. dans la mesure où euh, pour une femme, hein, elle peut provoquer la stérilité. Euh, une stérilité, c'est important pour une femme. Hmm? Et ensuite, elle favorise euh, le sida, le VIH. Hein, parce que c'est le lit. À travers les sécrétions vaginales, hein, à travers les liquides, vous avez le VIH et qui constitue hein, en lui-même une infection sexuellement transmissible. Donc, on a cette IST, on reste, on peut devenir malade du sida. Hein. Alors, vous êtes toujours en ligne avec nous, euh, madame. Est-ce que vous venez d'entendre le docteur, euh, je suppose, que vous savez tout cela, mais vous êtes bien consciente des, risques quand même euh, de ce métier. Mhm. Vous êtes bien consciente de ces risques Oui, alors, alors, alors, que faites-vous dans ce cas Comment vous, vous faites euh, pour euh, vous protéger Quelles sont les précautions que vous prenez C'est en utilisant les préservatifs. On utilise chaque fois les, préservatifs pour, nous vraiment protéger des risques d'infection des maladies sexuellement transmissibles. Est-ce que beaucoup d'entre vous, par exemple, sont vraiment conscients de cela Est-ce qu'elles le font réellement Ou bien vous avez peut-être des difficultés à convaincre certaines de nos jours, je peux vous l'affirmer que 90% des professionnels de sexe utilisent les préservatifs pour se protéger. Alors, euh, oui, vous voulez ajouter quelque chose Ne serait-ce que quelques autres jeunes filles euh, les, PS clandestines. Vraiment, on a deux fois, deux fois, euh, euh, on peut avoir des problèmes puis leur euh, avec leur fidélité, avec leur, leurs hommes qui sont des réguliers. Si ce n'est pas le cas, 90% chez les, je peux dire 100% chez les professionnels de sexe affichés utilisent des préservatifs pour, les, pour, se préserver. Est-ce que, est que j'ai bien entendu Ça veut dire qu'il y aurait quand même des, gens qui seront, des clients qui seront fidèles et que ces, ces, ces professionnels de, sexe accepteraient euh, euh, de, de, faire ça sans se préserver. C'est bien cela que vous êtes en train de me dire oui, chez les, chez les PS clandestines, les professionnels de sexe clandestines, il y a euh, une terme qu'on appelle les dandadros. Donc, elles ça et ils considèrent, ça comme leur régulier. Et, ce que vous venez de dire, qu'est-ce que ça signifie Donc, la drogue veut un client régulier. D'accord. Allez-y. Donc, avec le client régulier, on suppose que lui, il est régulier. On n'a pas besoin d'utiliser les préservatifs. Mais euh, notre association est, euh, est en train de se combattre pour mettre fin vraiment. Mais il peut y avoir deux ou trois clients réguliers. Plusieurs clients réguliers. Bien sûr que oui, il y a un client payant et un client non payant. Ça veut dire aussi que souvent, peut-être, euh, vous avez écouté le témoignage euh, de cette euh, professionnelle du sexe que nous avons interrogée à la Kouroussou qui parlait de la proposition d'une forte somme pour convaincre ces professionnels du sexe. Est-ce que vous, vous avez peut-être écho de cela ou Qu'est-ce que vous dites par rapport à, cela Raison pour laquelle je ne fais pas les, PS de la couche sont les PS affichés. Donc, quelle que soit la somme que le client peut leur proposer, je peux vous garantir qu'il n'y a aucune PS qui peut accepter cette offre pour faire euh, euh, le rapport sexuel sans, sans préservatif. Mais le problème se situe au niveau des PS clandestines. D'accord. Alors, Monsieur Issa Karimou, quelle est la tranche d'âge concernée par cette euh, activité Je rappelle que vous êtes de l'ONG Songe euh, Niger, une ONG donc spécialisée dans les questions de population clé en matière de VIH/SIDA. Ok. Donc euh, la tranche d'âge, parce que nous, il faut reconnaître que pour être dans la conformité, on travaille surtout avec eh, les affichés et les c'est-à-dire les majeurs, donc les personnes qui se reconnaissent comme professionnels de sexe et qui sont majeurs, parce que la loi il ne faut pas reconnaître aussi la loi a des restrictions par rapport. Donc, bien que la loi se tue sur eh, la prostitution, donc nous travaillons surtout avec celles qui sont majeures. Et ça, on peut trouver cette classe d'âge, si on prend ces deux jeunes, on peut dire la, tranche d'âge 20, est de 24 à 45 ans. De 24, à 45 ans. On peut trouver ici à Niamey et au Niger en général des personnes jusqu'à 45 ans qui font la prostitution. Alors 24 à 45 ans, ça, c'est peut-être pour les, pour les professionnels du sexe affiché. J'ai dit affiché. D'accord. Mais affiché. Mais certainement, il y en a, je sais aussi, bien que elles ne sont pas majeures. on a des Vient, on vient d'entendre un témoignage d'une fille de 16 oui, de 15 ans. de 15 ans. J'en connais des jeunes filles de 15 ans qui s'adonnent à cette activité. Mais nous, pour être conformes avec la loi, on ne met pas beaucoup notre accent avec ceux, qui ont un âge inférieur à 18 ans. On travaille beaucoup plus avec les personnes qui sont majeures, bien que nous savons pertinemment que des jeunes qui ne sont pas mûrs sont en train de faire cette activité. Alors, euh, écoutons à présent le sociologue, le socio-anthropologue euh, Sani Janjouna qui revient sur les causes et les types de prostitution. Ce qui est unanime, c'est que tout simplement, les gens se prostituent pas pour longtemps, ils le font juste pour se dépanner d'une situation. Parce qu'ils estiment qu'ils peuvent juste exercer cette activité, résoudre tel ou tel problème, mais malheureusement, c'est ignorer comment la société fonctionne. Ils se trouvent malheureusement pris dans un véritable engrenage, dans un véritable tourbillon du fonctionnement de la société et cela les maintient malheureusement dans la pratique. C'est en cela d'ailleurs pour tout prostitué que vous aurez à aborder, vous allez voir qu'il est en train toujours de décider et d'espérer quitter cette situation parce qu'il estime qu'elle n'est que provisoire. Et il est conscient de cela. Et c'est la raison pour laquelle, sur même la pièce d'identité d'une professionnelle de sexe, par exemple, c'est écrit profession prostituée. Mais vous ne pouvez pas oser l'appeler prostituée comme ça dans la rue parce qu'elle-même, elle ne l'accepte pas. C'est une morale qui est tout à fait partagée. Et c'est parce qu'effectivement, la réglementation de la sexualité d'un point de vue moral est quelque chose de très bien partagé partout à travers le monde. Donc, les causes sont liées à une histoire individuelle. Individuelle dans le sens où on peut assister soit on a grandi dans une famille où on a banalisé le sexe, où on est victime d'une certaine forme de viol au point où on s'en prend psychologiquement à la société pour la punir, la sanctionner d'un point de vue psychologique, on peut effectivement se permettre de euh, vulgariser et de vendre effectivement euh, le sexe. Mais ah, aussi, ça peut être, d'un point de vue histoire personnelle, ça peut toujours être euh, une personne qui a été victime d'un viol, de l'inceste ou d'un mariage précoce, d'un mariage raté, d'une euh, contrainte familiale au point où la personne, justement, par rapport à son histoire, la société se représente par conséquent la sexualité ou la manière de gagner la vie autrement. Quelles sont les différentes formes de prostitution La prostitution peut revêtir plusieurs formes. Il y a celle qui est plus ou moins provisoire, c'est-à-dire euh, caché, parce que tout simplement, on envisage un projet de s'acheter quelque chose, de payer sa scolarité, de faire telle ou telle chose. On choisit maintenant telle ou telle personne, on part chez eux, et puis voilà. Au fur et à mesure, elle paye et on fournit justement la marchandise, et par conséquent, on arrive quand même à se casser et à se régler son problème. Dans ce cas de figure, cette forme n'est pas ouverte, elle est clandestine, elle est cachée, elle est masquée. Euh, masquée dans le sens où la personne n'a pas une chambre à elle elle où on vient effectivement, les clients viendraient la trouver. C'est elle qui, en termes d'escort girl, peut aller vers les gens pour euh, donner effectivement ses, services. Donc, l'autre forme qui est visible en termes de profession même élaborée, euh, c'est celle-là qui est visible au coin de la rue où euh, il y a des quartiers dans des maisons closes où la personne a une chambre, elle se fait enregistrer, elle se fait subir des, des visites médicales, elle est suivie par la police, des mœurs, etc., etc. Et il y a cette troisième forme qui n'est ni clandestine ni professionnalisée, mais qui est en fait un peu à la sauvette. Ce sont ces filles qu'on voit au bord du goudron la nuit, qui viennent effectivement, elles sortent de chez elles et elles viennent s'aligner au bord du goudron, comme on les appelle les bonsoirs messieurs. Donc elles le font effectivement dans ce genre de situation. Donc c'est presque trois formes de prostitution. C'était le socio-anthropologue euh, Sani Yaria Jean-Jouna que vous venez d'entendre, euh, docteur Gazéré Ousmane. Euh, nous revenons sur donc ces maladies transmissibles. Est-ce que aussi à travers peut-être la salive, on peut, on peut avoir d'autres maladies À travers la salive Oui. Bien sûr, on peut, avoir d'autres maladies. Alors, quelles sont ces, maladies mhm. Parce que tout ça fait partie de l'exercice de ce métier. C'est ça. Hein donc, euh, vous pouvez avoir euh, certaines maladies comme euh, la mononucléose infectieuse hein, hein, qu'on peut attraper. si, par exemple, une amibe, hein, quand vous avez une ulcération amibienne au niveau de la bouche, vous pouvez attraper. Et vous avez aussi, quand vous avez une ulcération dans la bouche qui est d'origine syphilitique, vous pouvez attraper euh, la syphilis euh, par le baiser euh, hein, buccal. Et la tuberculose La tuberculose, bien sûr. Alors euh, là, c'est bien clair que le danger n'est pas avec peut-être euh, les, professionnels du sexe affichés, connus, et, euh, le, danger, ce serait de l'autre côté la prostitution clandestine. docteur, avec toutes ces maladies, quels sont vraiment les risques que la société, que court même la société mhm. Voilà, avec ce phénomène, le risque, c'est la propagation. Hein? très importante hein, dans la population. Euh, comme vous savez, hein, euh, au Niger, comme en Afrique en général, nous sommes une population jeune. Et les jeunes sont très actifs. Et étant euh, un pays musulman, beaucoup de jeunes, donc, pour leur pulsion sexuelle, vont se satisfaire. Hein, dans la clandestinité. Dans la clandestinité. D'accord. Ici, avec euh, l'ONG Songe, euh, quelles sont les, les, tentatives, les initiatives que vous menez pour pouvoir suivre ces femmes Quand vous les détectez, comment est-ce que vous arrivez à les convaincre Ok. Donc, euh, il faut d'abord reconnaître quelque chose. avant de répondre à votre question, le euh, docteur a un peu, euh, il aurait dû tellement il a oublié pour vous rappeler de ça, parce qu'actuellement au Niger, nous avons une séroprévalence de de 16,2% au niveau des professionnels de sexe. Donc, ça veut dire que en 2011, c'était à 17,30% grâce aux actions des ONG, associations de lutte contre le sida, c'est descendu à 16,20%. Qu'est-ce que nous faisons au niveau des songes Nous essayons de renforcer les capacités des leaders de ces professionnels de sexe. Nous les formons sur les IST, les VIH, SIDA, la communication pour un changement de comportement. Maintenant, c'est à elles d'aller au niveau des autres pour les sensibiliser. Et nous faisons aussi la distribution gratuite des préservatifs et de gels lubrifiants. Donc, la prise en charge aussi médicale des professionnels de sexe, nous les faisons. Nous payons leur ordonnance quand c'est des, malades, des, des, des, personnes déjà atteintes Atteintes, ou même pas atteintes. Même si la personne n'est pas atteinte du VIH, quand elle a une IST qui est compliquée, nous, nous assistons eh, dans son traitement. Donc, nous envoyons toutes ces personnes-là au niveau de MVS, dont le docteur Gazeri est le médecin prescripteur. Il prend en charge toutes ces personnes et nous payons et c'est vrai. Nous, nous, arrivons aussi à donner des activités génératrices de revenus aux professionnels de sexe. Nous allons revenir sur ces, activités. Ça, c'est des initiatives pour peut-être euh, faire abandonner ces professionnels de sexe de ce métier. Euh, docteur euh, gazéré Ousmane, et voilà, vous, recevez des femmes, des professionnels du sexe. Quel est le suivi Comment se fait ce, suivi Comment se fait ce suivi, cette prise en charge oui. Hein? Bien. Euh, Karimou a parlé euh, du euh, des risques importants des au sein de ces populations. Et avec l'avènement du sida, on a vu que au Niger, d'une manière générale, la propagation du virus n'est pas très importante, la prévalence. Mais quand on prend euh, au niveau de ces professionnels du sexe, cette prévalence est très élevée, 16%. Donc, ça veut dire, dans notre stratégie de lutte contre les et sida il faut traquer cette population-là. Donc, la prendre correctement en charge. Et pour la prendre correctement en charge, il faut d'abord les préparer, les sensibiliser. Après cette sensibilisation, euh, viennent au niveau des centres de prise en charge. Et là, euh, il y a au préalable le counseling qui leur est fait. Le, le, counseling. C'est quoi Qui leur est fait où on leur apprend c'est quoi euh, le VIH, c'est quoi le gonocoque, c'est quoi hein, telle telle maladie. Et pour les amener à accepter de faire le test hein, VIH parce que le VIH et les autres IST sont intimement liés. Hein. Donc on fait le counseling dans ce sens. Alors après le counseling, ces patientes sont dirigées au cabinet du médecin qui les examine hein, au niveau euh, de leur sexe. Et là, l'examen consiste à vraiment faire un examen hein, approfondi hein, des voies génitales pour détecter les différentes IST hein, dont je vous ai parlé. Et ces IST pour faciliter le diagnostic, faciliter aussi le diagnostic au niveau périphérique. Euh, au niveau de l'État, la politique sanitaire, on a mis en place euh, la prise en charge syndromique. Hein, parce que dans les grands pays, quand on vient pour l'INST, on fait un prélèvement, on envoie au laboratoire, en une heure de temps, on a le résultat, ce qui n'est pas faisable hein, dans notre contexte et surtout en périphérie. Donc, il y a un algorithme hein, qui est mis en place et qui permet aux médecins et aux différents agents de santé de s'en servir et de traiter efficacement hein, euh, ces professionnels du sexe. Vous êtes toujours en ligne avec nous. Je vous signale que nous avons un témoin, une professionnelle de, sexe euh, qui, euh, qui, est donc avec nous dans cette émission. Est-ce que vous m'entendez Vous êtes toujours là oui, je suis Voilà, d'accord. tout ce temps que vous avez pratiqué euh, ce métier, est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez eu Est-ce que vous pouvez dire, bon, j'ai pratiqué ce métier, j'ai eu vraiment euh, quelque chose d'important euh, Tout ce que moi je vais dire de la prostitution, il n'y a rien à gagner. tout ce qu'on peut avoir deux fois, c'est arriver à se nourrir. Deux fois, je dis bien, puisque de nos jours, la prostitution, c'est la merde. On peut faire 4, 3, 5 jours sans avoir de quoi même se nourrir, à plus forte raison venir à ses besoins. Et euh. donc, pour la tête, si une nuit tu gagnes au moins 10 000 ou 5 000 francs, tu fais tout possible pour garder à l'état 2 000 ou 3 000 francs au cas d'état à part cela, il arrive que vous soyez agressé dans l'exercice de votre métier Bien sûr. Il y a des fois des clients qui viennent après le rapport sexuel, ils ne payent pas et ils poignardent la femme pour prendre ce qu'elle a gagné. Au cas échéant, ils vont la taper, la bâtonner et tu vois, tout ça là. Et des fois, il y a la police avec les rafles même, si, même si la professionnelle de sexe étant en règle avec ses papiers, hein, elle la rafle. Est-ce que... Des fois, c'est pour prendre de l'argent ou bien aller euh, la violer aussi. Tout ça, là, c'est de l'agression. Vous avez été victime de cela Est-ce que vous avez vécu ces situations, vous, particulièrement Bien sûr que oui. surtout moi, avec euh, euh, les, jeunes, de, les nouveaux soldats recrutés venant de, de Tondibia ils sont descendus chez nous. Euh, en tant, euh, à là moi, je dormais. Je ne savais même pas que tout le monde euh, était dans sa chambre. Moi, je dormais et, ils m'ont agressé. Ils m'ont violé plus de 5 ou 6, hommes. Ils ont pris mon argent, mon portable, ils m'ont tapé. Tu vois et, et, le regard de, de, la société, par exemple, sur vous, comment vous la ressentez pas bien compris. Par exemple, est-ce que vous sentez que vous êtes marginalisé par cette société Est-ce que vous sentez que, que vous n'êtes pas désiré, désirable, euh, qu'on vous critique je vous avoue, madame, il y a la stigmatisation. Maintenant, si tu passes devant une société, ou bien euh, euh, devant une maison, ou bien devant des, jeunes, des jeunes filles, même des hommes, même des femmes, si on sait que toi, tu es une professionnelle de sexe, ils vont t'insulter. Hein, ils vont dire voilà, voilà, ça c'est une prostituée, elles font le commerce du sexe, ceci, là. Donc vraiment, il y a l'estimation et vraiment, on est marginalisé. Alors, alors, d'accord, euh, Monsieur Issa Karimou, vous parliez des activités euh, régénératrices de revenus pour aider ces femmes à, quitter ce, métier. Nous, nous l'avons entendu tout à l'heure, elle disait vraiment que c'est un métier qui ne donne rien et que vraiment elle veut arrêter. Ok, donc euh, je vais revenir là-dessus. Nous, dans nos interventions, c'est vrai, depuis euh, avec euh, un projet de la Banque mondiale que l'État nigérian a eu à travers la coordination intersectorielle contre le sida et notre, notre projet FEV que nous exécutons, Frontières Vulnérabilité au VIH, il est prévu dans ce projet d'aider les professionnels de sexe à travers des activités génératrices de revenus mais ce n'est pas des grandes sommes, c'est des, sommes un peu dérisoires. Et c'est pour cela que ces dernières années, on a vu, comme les, procédures de section regroupées regroupés en groupement, c'est mieux euh, si, un, groupe de 5 à 10 personnes disent Ah, nous, nous voulons faire un tel type d'activité, on finance le groupe, ainsi de suite. Maintenant, le fait de rembourser l'argent remboursé, on va remettre ça à un autre groupe ainsi de suite, ça va évoluer. Récemment, il y a une mission de la Banque mondiale qui est venue au Niger. On les a vraiment montré tous les grands sites de professionnels de sexe à Niamey. Et la Banque mondiale a pris vraiment l'engagement d'aider et les acteurs de la société civile en matière de lutte contre le sida pour apporter eh, un peu d'aide au niveau de ces professionnels de sexe en matière d'activité génératrice de revenus. Je termine avec une question. Vous allez terminer avec cette question parce qu'il nous reste trois minutes. Vous pensez que l'État doit avoir quand même euh, sa part de responsabilité dans, dans le fait de diminuer ou réduire ce fléau Bon, et moi, ce que je peux dire en matière d'Inter, moi, je, je, vais intervenir, je vais raisonner en matière d'acteurs de lutte contre le sida. Et maintenant, je ne sais pas comment l'État peut réduire ou bien mettre fin à la prostitution, mais ce que moi je veux de l'État, que l'État accompagne les acteurs de la lutte contre le sida pour que ces femmes-là et ces jeunes filles-là ne soient pas infectées par les IST et le VIH. Et vraiment, dans l'exercice de leurs fonctions, créer un environnement favorable pour que ces personnes-là puissent avoir accès à la santé comme tous les citoyens nigériens et que leurs droits ne soient pas bafoués. Mais maintenant, l'autre question, amener l'État doit arrêter ou bien faire diminuer, et vraiment, moi, je ne sais pas comment répondre à cette question. Docteur, vous avez quelques conseils Juste 30 secondes et nous donnons... Euh, ah, très bien. Euh, les conseils que j'ai à donner, euh, c'est que... 30 secondes, docteur. Les professionnels du sexe doivent faire les visites systématiques, régulièrement, et refuser les rapports sexuels sans préservatif. Alors, vous, vous nous écoutez, un mot de fin, quelques secondes pour terminer avec vous, madame. Qu'est-ce que vous diriez euh, Moi, je dirais merci beaucoup euh, à l'OG du Niger à travers FEV, vraiment pour tout l'appui qu'il nous donne d'augmenter et de réaugmenter, puisque aujourd'hui au Niger, il n'y a que FEV au Niger pour aider les professionnels des leurs activités et la distribution des préservatifs. Merci à vous d'avoir accepté de participer à cette émission. Nous étions en compagnie donc de Monsieur Issa euh, Karimou de l'ONG Songe Niger, euh, une ONG spécialisée dans les questions de population clé en matière de VIH/SIDA et euh, du docteur prescripteur Gazéré Ousmane. Merci à tous. Au revoir.